Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Finances et des Budgets, Monsieur le ministre du Travail, chargé des relations avec les institutions, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier pour vous remercier pour votre sagesse, pour votre euh, écoute, parce que vous avez montré encore une fois de plus que vous êtes quelqu'un qui peut gérer une famille, quelle que soit sa composition, hétéroclite soit-elle. Je voudrais vraiment vous remercier pour cela. Monsieur le ministre des Finances, aujourd'hui nous sommes là pour sacrifier à une tradition. Et un de mes collègues a dit, est-ce que ça c'est une parodie ou une comédie Mais vous l'avez dit lors de votre introduction en disant que cela tire, c'est une affaire qui tire un peu sa légitimité de la tradition républicaine. Et vous avez même cité l'article 56 de la loi organique 2020, numéro 7 du 26 février 2020 relative aux lois de finances. Donc cela montre que nous sommes ici pour sacrifier à une tradition républicaine et je pense que mes collègues qui se sont succédés ici ont montré que ce débat a un sens. Et vous-même, vous avez, dans votre introduction, fixé le cap en nous disant d'où on vient, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où l'on va. Parce que tout à l'heure, Monsieur le ministre, vous avez parlé du budget en 2011 et aujourd'hui en 2023, en nous sortant tous les éléments, parce que vous avez cité le, dans votre introduction cinq éléments importants, c'est-à-dire les perspectives macroéconomiques, les options stratégiques de la politique économique et budgétaire, la trajectoire des finances publiques, la situation financière des organisations publiques, mais aussi les risques susceptibles de compromettre les objectifs fixés. Et je pense que pour comprendre un peu le contexte, il fallait nous dire exactement pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Et vous l'avez très bien expliqué et les documents que nous avons reçus nous ont montré qu'aujourd'hui, la situation financière au Sénégal, elle est stable. Les documents nous ont montré que le président de la République, depuis 2012, avec son gouvernement, sont en train de tout faire pour que ce pays puisse aller vers l'émergence. Tout à l'heure, un de mes collègues a parlé du pape, du pape 2A accéléré, mais c'est parce que nous avons un gouvernement prévenant que quand il y a des difficultés, il se voit accepter les difficultés, voir comment on doit faire pour revaloriser ce qu'on a aujourd'hui et ensuite fixer un autre cap. Voilà quelqu'un qui a une vision, comment il doit procéder. Donc, Monsieur le ministre, soyez-en remercié. Un de mes collègues vous, avez dit, vous a dit tout à l'heure que vous êtes un bon ministre des Finances. Mais c'est le président, il a oublié sûrement que le président de la République vous a choisi parmi 17 millions de Sénégalais. Il s'est dit, par rapport à ma vision, par rapport à mon programme, par rapport au pacte de accéléré, le ministre des Finances qui peut mettre en œuvre cela, c'est M. Moustapha Donc il faut féliciter le président de la République, son Excellence Macky Sall. Euh, Abdal tout à l'heure c'est mon collègue euh, euh

et quel avocat donc je pense que yooyu yëpp dafa don ci yo xamné ay waxtaan la yo xamné war nañ ko mën a c'est pas pour vous critiquer non mais c'est juste que pour que nous tous qu'on soit cohérents ñu xol ni nga xamné non lañuy doxanté pour que ëllëg su fekkee né yow ték nga dara nit ki war la mën a bañ critiquer parce que nous tous nous sommes des Sénégalais et nous voulons que ce Sénégal-là puisse aller de l'avant li ci dess moy monsieur le ministre des finances dañu lay encourager dañu lay féliciter parce que euh, li ngay def defaloo sa bop li ngay wax waxaloko sa bop résultat yi nga am amaloko sa bop c'est parce que y a un homme à la tête de ce pays qui a une vision bu meuna tan ay nit am yoon bu clair te lepp loy waxit bo taxawé fi da nga nan président de la république néna ma nangam président wax na ma nangam président ni la talal, man ci loolu lay jaar parce que vision bu amul nit ki munta am ay prérogatives yo xamné dina permettre mu def ay résultats donc nous ngi lay encourager di la féliciter ci lool li ci des nak que dañ fay wax sank ne defuñu fa dara dama bëgg ñu xamné ci nguuru Macky ci la gendarmerie bu ci ci tribunal bu ci ci préfecture bu ci ci lañuy niveau 3 bu 20 milliards boo xam ne boo demee di nga gis liggéey ba ci Tivaouane ci la ñu gisee ñu defar ay maison des hôtes ca Tivaouane ci la ñu gis président de la république boo xam ne te nag Cheikh Abdou euh, Serigne Abdou Aziz Sy Al amin dafa doon wax nit bu ko xeebal ñett bu ko xeebal soxlaam bu ko xeebal sëriñam bu ko xeebal bésam te ñun nag président de la république jàppal na suñu kilifa gi nga xam ne mooy Serigne Babacar yi xeebaluñu ko donc motax ñu japp ko ma ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah Merci, cher collègue La parole est à notre collègue Babacar Mbaye. cheikh Abdou mbake se prépare.